dëkk bi dafa am yoon dëkk bi dafa am ay loi dëkk bi dafa am ay institution képp ki nga xamantene ni da nga am lu la metti wala la dañ laa yóbbu ci yoon da ngay dem wuy ji parce que foofu ay magistrat ñoo fa nekk ñuy wax seen ak ak yelef ak li nga xamantene ni jox nañ leen ko comme dossier jalul taari léew jalul yuxu jalul dóor kenn parce que bés bu jàll sep ay citoyen yu mel ni man di jóg di dem di wuyu justice di dellu seen kër ci salam donc lolo qui est luñuy di wax jeunesse bi jublu ci une formation jublu ci out jublu ci continuer sen parce que sen sen ci la nek ëllëg ku nek mu ngi ci yaw ta bi ngay pour que sa jang nga yokku ko wala bu fekkee am nga alal nga sam ko wala bu koy parce que ci un pays ne peut pas se construire dans le désordre. Un pays ne peut pas se construire dans le conflit et la bravade. Mais nous sommes un État, un État démocratique qui fonctionne avec des règles. Ces règles-là nous imposent à ce que tout citoyen qui a maille à partir avec la justice puisse aller répondre tranquillement et que ceux-là qui sont chargés de statuer sur son dossier le fassent en toute impartialité, en toute indépendance, mais aussi en toute responsabilité. C'est cela un État et nous devons veiller à respecter les institutions. Puisque comme nous le savons tous, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Les institutions n'ont pas commencé avec le président Macky c'est depuis la nuit des temps. Et les institutions ne vont pas mourir ou bien disparaître avec le président Macky Sall. Les institutions continueront de rester ce qu'elles sont et elles seront incarnées par les hommes qui seront élus par les populations du Sénégal.